le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. et Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème corruption dans les milieux de la presse et de la société société civile au Niger pleurs, conséquences et remèdes. Le Niger, à l'instar de plusieurs pays africains, fait face à des multiples problèmes qui entravent son développement socio-économique. La corruption, un phénomène aussi vieux que l'humanité, fait partie des causes principales de ces problèmes. Combattre ce fléau généralisé dans plusieurs domaines de la vie demeure un véritable défi à relever pour tout pays qui aspire à un développement. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre la corruption et son ampleur dans les milieux de la presse et de la société civile, leurs conséquences pour le pays et les solutions alternatives. Nous avons donc le plaisir de recevoir Maman Wada, président de Transparency International au Niger. Maman Wada, bonsoir. Bonsoir. Maman Djaharou, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie au NIMED. Maman Djaharou, bonsoir. Bonsoir. Et au téléphone, Moudi Moussa, secrétaire général du syndicat national des agents de l'information et de la communication synatique. Moudi Moussa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Moudi Moussa, en Afrique, la corruption dans le journalisme est évoquée à des multiples reprises. Le phénomène euh, des enveloppes est pointé, par exemple, dans certains pays. Quelle est votre lecture à ce sujet Voilà, merci euh, M. Mokhtar, merci le studio Kalangou pour cette opportunité que vous nous donnez de nous prononcer justement par rapport à ce sujet, ce sujet, il faut le dire, euh, d'actualité, à savoir la corruption euh, au niveau donc des organes des médias. Vous savez, la corruption des médias, que ce soit en Afrique, euh, au Niger plus particulièrement, c'est un sujet, un phénomène euh, que nous avons en tout cas euh, toujours euh, décrié. Mais je pense que ce phénomène a un fondement. Et le fondement, on le sait tous, c'est les conditions précaires de vie et de travail des professionnels des médias. Quand vous prenez au niveau, par exemple, nous, de notre syndicat, toutes nos revendications ces derniers temps ont tourné autour, en tout cas, de l'amélioration de ces conditions de vie. Tant qu'on n'améliore pas les conditions de vie des professionnels des médias, de façon générale à travers euh, notamment une bonne rémunération, à travers euh, l'amélioration tout simplement de leurs conditions de travail. Je pense que le phénomène, en tout cas de euh, la corruption, son éradication n'est pas pour demain. Et c'est pour ça qu'effectivement, au niveau du Sénatique, nous avons eu à faire beaucoup de propositions allant dans le sens justement de cette amélioration. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Le phénomène, malheureusement, euh, son cours et prend d'ailleurs de proportions inquiétantes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui explique euh, euh, tout ce qu'on constate comme manquement au niveau de la presse quand on prend les entraves notamment à la liberté d'expression et même les manquements, si je peux le dire, à l'éthique et à la déontologie de la part de certains de nos confrères. Ce sont ces ajustements, ces genres de comportement qui le font. Aujourd'hui, un journaliste, il est mal payé, mal rémunéré, il va de soi qu'il soit facilement tenté donc à des pratiques euh, corruptives et euh, c'est à quoi nous assistons euh, malheureusement ces derniers temps. Je ne sais pas, vous avez parlé des enveloppes, peut-être que vous faites allusion là à ce qu'on a appelé ou qu'on appelle les gratifications. Bon, les gratifications, moi j'ai une autre lecture de ces gratifications. Je pense que ce n'est peut-être pas ça la vraie forme de corruption qu'il faut décrire au niveau des, des organes ou des journalistes de façon euh, plus particulière, parce que les gratifications, à ce que je sache, c'est vrai, au Niger, en Afrique, ça existe, mais au-delà, un peu partout, il y a ce système, mais qui ne se fait pas peut-être de la même façon que nous ici. Parce que là, c'est à quoi vous faites allusion, je veux dire les gratifications, ce sont des, sommes tout à fait modiques qui n'ont rien, en tout cas, qui ne peuvent pas influencer le journaliste dans son travail. C'est quoi Vous venez à une activité, euh, les organisateurs, s'ils n'ont pas prévu de payer une facture, ils donnent ce qu'ils appellent et même si c'est comme ça, les appels des petits frais de carburant aux journalistes, à l'équipe qui se déplace. Et ça, moi, je ne vois pas du tout de problème euh, en cela. Mais le vrai problème là, il faut le voir, c'est notamment euh, cette connexion qu'il y a entre n'est-ce pas, certains médias, certains journalistes avec euh, euh, des, acteurs politiques. C'est là où, par exemple, c'est un peu plus sérieux, plus grave, non seulement avec les acteurs politiques, mais aussi avec euh, certaines institutions ou organismes qu'on voit. Par exemple, il y en a aujourd'hui dans le domaine des médias, des organismes ou des institutions que vous n'entendrez jamais. En tout cas, vous ne verrez jamais un journaliste ou un média les critiquer. Je vous donne un exemple. Vous prenez au niveau des compagnies de transport. Il y a chaque jour presque des accidents qui se produisent. Mais est-ce que vous apprenez ces informations via les médias C'est toujours par les réseaux sociaux, c'est toujours par d'autres canaux que vous les apprenez. Quand vous prenez également au niveau de certaines firmes internationales telles que les compagnies de téléphonie, c'est la même chose. Ils escroquent les gens les gens ne sont pas du tout euh, satisfaits de leurs prestations, mais malheureusement, au niveau des médias, on n'en parle pas. Et puis bon, voilà, ça ne met personne. Ce sont des questions comme ça qu'il faut voir et non des petits cas où je ne sais pas, des petites situations euh, de gratification qu'on donne à des journalistes. En tout cas, moi, voilà, dans un premier temps, comment je vois le problème, comment je le pose également. Moudi Moussa, est-ce que ces genres de pratiques-là sont observables au niveau de la société civile nigérienne Mais au niveau de la société civile, elles sont d'ailleurs plus observables parce que euh, c'est même de là que euh, ça a commencé. Et je m'explique. Aujourd'hui, on connaît pratiquement toutes les organisations et les structures de la société civile en présence. On sait comment ça évolue. Il suffit de voir un peu euh, le mode ou de, de vie, le train de vie et de certains de ces acteurs pour se rendre compte qu'effectivement, ces acteurs euh, ne vivent pas, n'est-ce pas, de ce qu'ils nous laissent euh, euh, entrevoir à travers leurs activités. C'est carrément des connexions avec notamment des puissances souvent étrangères, même si ce n'est pas ici au plan national. Et il y en a d'autres qui sont totalement assujettis à des acteurs, à des formations politiques et, et consorts. Aujourd'hui, quand je prends, je connais moi des acteurs particulièrement euh, qui vivent, ou disons, dans leur bureau. C'est climatisé, s'il vous plaît. Leurs véhicules sont climatisés. Chez eux, ils sont sous la, climatisation. Mais comment quelqu'un qui ne travaille pas du tout, qui ne sert pas l'État et qui va se retrouver avec un tel train de vie et comment voudrez-vous qu'on comprenne que cette personne est, indépendante, est indépendante, qu'elle n'agit pas ou disons qu'elle agit de façon indépendante. Donc, au niveau de la société civile également, euh, le problème, il est réel, il est visible et je crois que effectivement, des mesures doivent être prises pour que, effectivement, au niveau de la société civile également, ces de pratiques s'arrêtent. Parce que, à mon entendement, être engagé au niveau de la société civile n'est pas synonyme d'un travail qui nécessite un salaire. C'est une action euh, tout à fait bénévole, c'est un travail bénévole auquel les gens s'adonnent et je pense que les gens doivent s'assumer et rester dans le cadre strict de la société civile telle que connue et en tout cas compris euh, par euh, nous tous. Maman Wada, la corruption dans le contexte médiatique africain ou nigérien existe-t-il Oui, naturellement. Il n'y a pas un domaine de la vie nationale, régionale ou internationale qui n'est pas affecté par les pratiques corruptives. Les médias, c'est un phénomène social tout comme les, les, activités de la société civile, donc ne sont pas à l'abri de, de la corruption. Je dois préciser quand même que les médias jouent un rôle très important dans la société. Sans les médias, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la société. Les médias ont un rôle très stratégique à jouer et le jouent. Peut-être qu'ils le jouent avec euh, des poches de corruption, ils le jouent avec euh, euh, la gangrène qui est la corruption. Mais le plus important, c'est de savoir que les médias doivent exister ils doivent s'épanouir, ils doivent continuer à faire euh, leur travail. La corruption existe, n'est-ce pas, dans le domaine des médias. L'impression que nous avons, sinon nous pouvons dire qu'à un moment précis, la jeunesse cherche de l'emploi. Elle cherche l'emploi et tout le monde s'est jeté tantôt sur les médias, tantôt sur la société civile. On cherchait à s'en sortir, on cherchait à trouver à manger, à gagner du temps ou à ne, pas, à ne plus perdre du temps à s'asseoir, faire du thé alors, on est allé dans les médias et on est allé dans la société civile. deuxième facteur, c'est que aussi bien dans les médias que dans la société civile, il y a des acteurs qui ignorent leur rôle. Et parce que justement, ils ignorent leur rôle, alors ils s'adonnent à tous les travers, y compris, n'est-ce pas, ceux qui portent atteinte gravement, n'est-ce pas, à l'éthique du, du, travail à faire, à l'éthique du, du, journaliste ou de l'autre côté, à la ligne de la société civile. Et je pense que ce sont des raisons comme ça qui ont amené la plupart de ceux qui aujourd'hui ont affecté ou gangréné, n'est-ce pas, euh, la vie des médias ou la vie de la société civile et dans, cette situation-là. Autre aspect, c'est que en réalité, on ne peut pas faire carrière dans les médias. Beaucoup sont venus peut-être à titre euh, occasionnel, hein, en attendant de, trouver mieux, n'est-ce pas Et au niveau de la société civile, évidemment, le problème de fond, c'est déjà comment se forment les organisations de la société civile, n'est-ce pas Et pour quel but tout le problème se trouve à, ce niveau et cela laisse libre cours à toutes les pratiques, y compris les pratiques corruptives. La corruption dans les médias, il l'a déjà dit, c'est vraiment, je le remercie beaucoup, il a dit le maximum. Je pense qu'il faut définir, n'est-ce pas, les différentes catégories, les différentes formes de corruption qui existent au sein des médias, de la petite à la grande corruption, n'est-ce pas, la petite corruption, il a donc, ce sont là les typologies de la corruption. Oui, la petite corruption, elle a un rôle aussi. C'est vrai, les causes, c'est, excusez-moi le, terme, n'est-ce pas, c'est la banalisation du travail, du métier. Hein? Si on peut prendre, je ne sais pas, 1000 francs, 2000 francs, 1500, il y a quand même des raisons, n'est-ce pas, à, s'inquiéter. Hein? Ça, c'est très important. Ce n'est pas, ce n'est pas. Monsieur le Président, vous faites allusion aux gratifications. Je pense aux gratifications. Le rôle du journaliste, c'est de faire son travail et de partir. Il l'a dit, il faut un soubassement, il faut une rémunération décente, il faut un salaire décent pour un travail décent. Ça, c'est clair. Hein. Ça doit être clairement défini et il faut l'internaliser, c'est important. Mais les gratifications sont aussi des causes de corruption. Ce sont des causes de corruption, de la petite corruption, mais ça détruit moralement. Même quand cela est public. Même quand cela est public, ça détruit moralement un, eh, eh, eh, journaliste, quelqu'un qui a toute cette charge sociale, hein, qui a cette responsabilité sociale, est réduit à prendre 2000 francs. Je pense que ça, porte, porte euh, atteinte à sa moralité lui-même, n'est-ce pas, et à la qualité du travail qu'il va fournir. Et à la moindre corruption, c'est celle-là, euh, comme vous dites, des enveloppes ou des, éditions, parce qu'on peut acheter une édition d'un journal. On peut financer à condition que le journaliste insère un article, n'est-ce pas, dans ce journal et ça, c'est la corruption moyenne, c'est autour de 300 000, 400 000, ainsi de suite, hein, le temps de l'édition du journal. Et là, il l'a souligné, c'est la connexion avec les acteurs politiques. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'une bipolarisation des médias. On a comme l'impression, c'est difficile de trouver des médias assez équilibrés, où vous avez l'analyse plus critique, plus objective et impartiale, qui va dans le sens de l'analyse scientifique. En tout cas, particulièrement, je dis bien dans les journaux, particulièrement, c'est très difficile de retrouver des analyses eh, scientifiques impartiales et très critiques. Très souvent, c'est la position tranchée, où on soutient, n'est-ce pas, où on combat, et de manière tranchée. Et on a l'impression même que beaucoup de journaux sont des organes des partis politiques. C'est l'impression qu'on a quand on prend un journal. À la première lecture, vous avez l'idée de la tendance du journal alors qu'il y a une ligne éditoriale, il y a une déontologie, n'est-ce pas et, tous ceux qui ont fait la formation de base, qui ont fait la formation continue, savent justement qu'il y a l'éthique et la déontologie. Ils connaissent les grandes lignes, ce qu'il faut pour être un bon journaliste, que, que ce soit le journaliste communicateur ou le journaliste d'investigation. On connaît les grands principes, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand vous prenez la plupart des journaux, vous avez l'impression qu'il n'y a que deux, cases, n'est-ce pas La case de ceux qui soutiennent le gouvernement et la case de ceux qui combattent le gouvernement. Et, ça se fait presque comme le dit Hegel dans la lutte à mort. On a comme l'impression que chacun tire sur chacun. Et les tirs sont tellement croisés que c'est les journalistes qui se tirent dessus. Voyez-vous, quand vous lisez euh, tel journal, il tire sur <coughs> tel journaliste, l'autre journal lui-même, il tire sur tel journaliste, et on laisse les problèmes de la société de côté, on laisse la responsabilité sociale de côté. Et ça, c'est l'idée qu'on a. Par rapport à la société civile, Ma foi, je dois préciser ici deux catégories. Monsieur le Président, vous avez omis peut-être la grande corruption. Oui, la grande corruption, c'est au niveau des multinationales. Il y a des journalistes, n'est-ce pas, ou des, médias. Peut-être que ce n'est pas le cas du Niger, hein, mais en tout cas, il y a des médias qui sont au service des grandes entreprises, des multinationales, qui travaillent pour ces multinationales, qui travaillent à améliorer l'image des multinationales même si elles ont des pratiques désastreuses, même si elles ont des pratiques condamnables, eh bien, le journaliste prend les ressources les ressources nécessaires, beaucoup d'argent pour améliorer l'image. Ça, c'est un travail de mercenariat. Il n'y a rien à faire, ce n'est pas un travail de journaliste. Et ça, c'est très courant. Peut-être que euh, les journalistes n'ont pas atteint ce gabarit, mais en tout cas, ça existe. Revenons-en par rapport à la société civile. OK. Par rapport à la société civile, je précise que on entend par société civile l'ensemble des citoyens qui ne gouvernent pas. Tous ceux qui ne gouvernent pas, qui n'ont pas une responsabilité, n'est-ce pas, politique, une responsabilité coercitive ou une responsabilité d'autorité, appartiennent à la société civile. Et nous avons, en tout cas si je prends le cas du Niger, deux catégories de société civile. Vous avez les ONG internationales et les ONG nationales. Par rapport aux ONG internationales, nous avons mené une étude en 2014. Les domaines d'intervention des ONG internationales pour la plupart, c'est le domaine humanitaire. Nous avons fait une étude dans, sur la corruption dans le secteur de, de l'aide humanitaire. Évidemment, ce que les ONG mobilisent et ce qui va vers les populations, entre les deux, vraiment, c'est comme le jour et la nuit. C'est toute une chaîne, n'est-ce pas, de redistribution des ressources. On mobilise les ressources pour les redistribuer dans la chaîne et au finish, là où il y a les catastrophes, là où il y a les problèmes à résoudre, évidemment, il y a très peu de ressources. Et deuxième euh, problème qu'on remarque au niveau de ces ONG internationales, c'est leur gestion même interne, n'est-ce pas même au niveau local, à l'interne, il y a euh, énormément d'arrangements, il y a des, des, pratiques corruptives euh, dans le fonctionnement de ces ONG. Et mieux, leur connexion avec les ONG nationales. Très souvent, on compte des ONG où on peut arranger où on peut euh, renvoyer l'ascenseur, voyez-vous. Et, c'est très souvent ce qui se passe entre certaines ONG internationales, je ne dis pas toutes, entre certaines ONG internationales et, certaines ONG nationales. Évidemment, on vous donne le financement pour que vous renvoyez une bonne partie à ceux qui vous ont donné ces, ce financements. Ça, vraiment, c'est le problème des ONG internationales. Les ONG nationales, leur création, je le disais tantôt, très souvent, après la conférence nationale, beaucoup ont estimé qu'ils pouvaient s'épanouir, n'est-ce pas, dans ce secteur-là. Que c'était facile, n'est-ce pas, de créer une ONG avec sa femme, ses enfants ou ses, ses voisins ou ses amis, n'est-ce pas, pour manger, comme l'a dit l'intervenant. Et le problème, justement, on ne connaît pas le rôle. Or, les ONG doivent intervenir dans le secteur où l'État a failli. Elles ont un rôle de contribution à faire par rapport, sinon le rôle principal de développer la société, de créer les conditions d'épanouissement de la société revient à l'État. C'est l'État qui doit le faire. Mais les États sont défaillants ou de plus en plus défaillants, n'est-ce pas Et les ONG viennent pour euh, y remédier. Oui, elles viennent, en appui. Non pas, non pas pour euh, prendre la place de l'État, non pas pour être en conflit avec l'État, non pas pour être euh, ami, ami avec l'État. Non, il y, a, il y a une ligne, n'est-ce pas, qui consiste à être impartial, qui consiste à, porter des, contributions là où il y a des faiblesses, qui consiste à le dire. Parce que le rôle, le rôle euh, de la société civile, d'une manière générale, c'est l'action de veille. Il faut faire le suivi des, des politiques publiques, n'est-ce pas Il faut euh, dénoncer s'il y a manquement, n'est-ce pas, aux prévisions sur les politiques publiques ou il y a violation à la loi. Ensuite, il faut alerter. Quand il y a dérive, il faut alerter. Quand il y a difficulté, il faut alerter. Et si on peut apporter des contributions physiques ou matérielles ou intellectuelles ou en expertise, on est au service de la société, pas plus. Et sans engagement, il ne peut pas y avoir action de la société civile. Or, pour la plupart des cas, des gens vont dans la société civile, comme euh, l'a dit l'intervenant, c'est vraiment pour se remplir les poches, pour manger. Mais mieux, il y a des acteurs de la société civile qui font des menaces hein, pour avoir l'argent des autres, l'argent des hommes politiques, par exemple, Voyez-vous. Autre aspect sur la société civile, c'est l'ignorance. L'ignorance, euh, le manque de, professionnalisation. Or, vous avez des gens qui font tout. Ils sont acteurs de la société civile, ils font tout. On ne peut pas tout savoir. C'est pas vrai. On ne peut pas tout savoir. On a forcément un domaine où on peut apporter ses modestes contributions. On a certainement un domaine où on, on connaît quelque chose. On a, il y a certainement un domaine ou en Excel, mais pas dans tous les domaines. Vous avez des ONG qui font tout. En réalité, c'est pour racler le maximum. Et le problème des ONG du Niger, de plus en plus, c'est la participation aux politiques publiques. Ça devient un problème aujourd'hui. On a comme l'impression que on crée des ONG pour aller dans une institution de l'État, représenter la société civile et profiter des prébendes. C'est vraiment cela le, problème numéro un aujourd'hui de la société civile nigérienne. Quelle que soit, si vous voulez, la difficulté, les gens y vont parce que ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont avoir ils s'en fichent d'avoir le niveau, la capacité. Or, quand vous allez dans ces genres de rencontres, vous avez des experts de l'État, vous avez des experts du secteur privé qui ont un certain niveau avéré, n'est-ce pas Ils connaissent parfaitement les choses. La société civile, souvent, elle n'a pas le niveau parce que ceux qui y vont, ce ne sont pas ceux qui doivent aller. C'est ceux qui font des communes, qui s'organisent en groupe, n'est-ce pas Qui vont dans ce domaine-là juste pour manger, non pas pour apporter les contributions. Or, la société civile doit être critique. Elle doit euh, refléter la redevabilité. Il faut que les citoyens se sentent véritablement représentés hein, dans ces structures-là pour que les politiques publiques profitent aux populations et non à ceux qui gouvernent, voyez-vous. C'est ça la question de fond. mais malheureusement, la société civile ne fait pas ce travail. Maman Yaharou, euh, peut-on parler de la corruption dans le milieu de la presse nigérienne Je pense que la, presse nigérienne n'est pas euh, un élément euh, éloigné de la société nigérienne. le grand frère Maman Ada l'a dit, c'est une chaîne, la société c'est une chaîne. Et au Niger, on ne peut pas ne pas parler de la corruption. Et si au Niger il y a la corruption, c'est qu'elle affecte à des degrés différents tous les secteurs toute la composante sociale. Et la presse fait partie de, ce, de, cette composante, d'ailleurs, pas du monde. Et c'est tout à fait normal, vu le rôle que doit jouer la presse au Niger, et d'ailleurs de façon standard à travers euh, le monde, c'est normal que euh, dans le contexte euh, sociopolitique aujourd'hui que chacun essaye d'avoir la presse de son côté. Et c'est ça véritablement la situation du Niger. Aujourd'hui, euh, Imam l'a évoqué, les acteurs politiques, que ce soit les entreprises qui travaillent au Niger, chacun essaye d'avoir euh, de son côté des médias. Et toute la difficulté que nous avons, je pense qu'aujourd'hui, il est clair, il l'a dit, la, la, bipolarisation des médias est un signe très clair annonciateur de cette situation. Aujourd'hui, pratiquement les médias nigériens, on peut se demander si euh, on voit un semblant de positionnement au sein des partis politiques où il y a même euh, ce que nous, nous pouvons appeler ici les centristes, les non-affiliés. Au sein des médias, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a que deux, euh, les deux extrêmes. Soit je suis pour, soit je suis dangereusement contre. Et rien ne peut me faire changer d'avis parce que l'option qu'on a choisie est déterminée par quelque chose. Et c'est ça la, grande corruption. Et d'ailleurs, il y a un élément important évoqué par Mada et qui est la conséquence de, cette, de ces acquaintances politico-économiques des médias avec d'autres structures. C'est les attaques à la confraternité. Nous l'avons relevé à un certain moment. On a fait un communiqué. Lors votre dernier communiqué de Justement, et, et l'avant-dernier aussi, où, qui est même axé sur la confraternité, où on a constaté que les, les acteurs politiques, quand un média écrit quelque chose sur une structure, une institution, ou sur un homme politique, ou sur un dirigeant, c'est un autre média qui souhaite pour répondre. Et c'est ça la conséquence de, cette, euh, de ces acquaintances euh, avec euh, le politique. Mais il n'y a pas que le politique. Moody l'a évoqué, aujourd'hui, il y a des situations dont pratiquement le média a laissé aux réseaux sociaux. C'est le cas de certaines compagnies. Quand il y a besoin d'informer les citoyens, on s'était parce qu'on s'est dit que, puisqu'on a des petits intérêts là-bas, là-bas, vaut mieux laisser les autres dire. Et ça, ce n'est pas le rôle de, ce n'est pas le rôle des médias. Les médias. Effectivement, de, de choisir. C'est vrai, la ligne te donne tout juste la petite marge de liberté pour savoir librement choisir quelle information je dois prioriser, mais pas quelle information je dois censurer. Et c'est ça la, la, question. Mais je pense qu'il y a tout un escalier qui justifie ce comportement-là de façon négative. C'est d'abord, euh, il y a la gestion des entreprises de presse. Moi, je ne dirais pas plutôt la précarité. Moi, je ne mets pas l'accent sur la précarité. Puisque si on me dit que la précarité des médias conduit inexorablement vers la corruption, c'est comme si on me dit que le fils d'un pauvre doit nécessairement voler, ce qui n'est pas la réalité. Dans la société, il n'y a pas que les fils. Vous allez voir ceux qui sont dans la corruption, généralement, c'est des gens qui savent, qui ont goûté à la joie qui procure l'argent, qui procure le bien. Mais c'est pour dire qu'il y a un problème de gestion et les entreprises de presse au Niger doivent repenser leur gestion. Maintenant, c'est dans la manière de repenser la gestion qu'ils doivent repenser les rapports avec la société. Ailleurs, je, je dans plusieurs médias et j'ai vu des médias où, quand vous envoyez un journaliste couvrir une activité, même les gratifications, ils vous disent, si vous, vous les avez prévues, d'insérer ça dans la facture globale et que c'est la facture du travail qui a été fait que vous allez payer. Maintenant, l'organe rétrocède un pourcentage là dans le salaire. Nous, on a travaillé avec ça ou quand tu couvres une activité, c'est pas possible au Niger. C'est pas possible au Niger parce que pour deux raisons. Parce que les gratifications, ça ne profite pas aux journalistes. C'est ce que peut-être beaucoup de journalistes n'ont pas compris. Allez-y dans les institutions au Niger, vous allez voir des gens, même dans, dans un service, les gens se bagarrent pour prendre la gestion des médias. Parce que les gratifications, c'est des fonds comme les fonds humanitaires ou qui ne se justifient pas, ou qui se justifient facilement. Et il y a des services où les gens ont la liste de tous les médias et ils prennent les, les gratifications, ils font une prévision de tous les médias. À peine 10% de ces médias-là participent à leur activité et ils trouvent le moyen de garder cet argent-là, comme quoi ils ont donné aux médias. Ça veut dire que ça ne profite pas aux médias, alors que si on verse ça dans le contenu de la facture et que vous trouverez la formule à ce que une fois payé, l'organe vous retrocède, ce qui n'est pas encore le cas. C'est pour cela que j'ai commencé par la gestion. Il y a un problème véritable à l'interne d'abord. Il faut combattre les mauvais comportements à l'interne des entreprises de presse avant de, sortir vers la grande grande corruption. Mamadou Diaharou, l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED est une organisation d'autorégulation. Quelles sont les mesures prises pour endiguer le phénomène Les mesures prises au niveau de, l'Observatoire, nous, nous l'avons dit, c'est d'ailleurs comme... Euh, euh, ce que nous prévoit la marge de manœuvre de nos statuts et règlements. Nous, c'est un travail de veille qu'on fait. On moniteur, c'est-à-dire on passe à revue les contenus de médias, et là où il y a la susceptibilité d'alerter, on dit faites attention. C'est le cas que vous, je vous ai donné de la confraternité. Quand on a compris qu'un journaliste ou un, média écrit sur la gestion d'une entreprise ou sur le comportement d'un acteur politique, c'est un autre média qui répond, ce qui n'est pas normal. Même dans la limite où la personne incriminée veut réagir, veut faire un droit de réponse, il y a une procédure pour le faire. Mais on a constaté que vous pouvez être allé dans un média, un média X parle de vous, vous estimez que vous êtes diffamé, au lieu de, porter plainte, vous préférerez donner un droit de réponse, vous l'envoyez dans un autre média, ou c'est même certains médias qui suscitent votre réaction par rapport à ce qui a été fait dans, un autre média, ce qui est contraire à la, à la charte de journalistes professionnels du Niger et au code d'éthique de la dentologie. Donc nous, on fait ce travail de veille pour alerter sur un certain nombre de devoirs et des droits des journalistes. Et ce n'est pas pour rien que la charte des journalistes professionnels, comme le code d'éthique, ont prévu, comme vous voulez, il y a plus d'articles sur le devoir des journalistes que sur le droit. Parce qu'on estime qu'il a une marge de manœuvre et quand il l'utilise de façon délibérée, il peut faire mal. Mais quand vous regardez la corruption, moi, je dirais que les acquaintances en tant que telles avec les acteurs politiques ne doivent pas avoir comme conséquence la corruption, se faire corrompre. Parce qu'on le voit dans les grands médias. Là-bas, c'est même clair, il y a des médias de droite qui soutiennent les partis de droite, les médias de gauche qui soutiennent les partis de gauche et les, les, centristes qui soutiennent les partis du, du, centre, mais qui essayent de rester, de rester dans la logique de faire leur travail de service public. Quand le parti de droite manquent aux obligations prévues par leur charte euh, des partis politiques qui définit le comportement d'un parti de droite, mais ils vont le dire, ils vont le dénoncer, ils vont, ils vont critiquer. La même chose quand les partis de gauche constatent que euh, les journaux qui soutiennent les partis ou les médias qui sont dans la ligne des partis de, de gauche, quand ces partis-là manquent à leurs obligations prévues par leur charte, ces médias-là les critiquent ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est cette redevabilité que je pense qu'il faut qu'on revienne. Et cela est possible. Cela est possible, je vous dis, lorsqu'on arrive à une gestion saine des médias. Il faut commencer d'abord par la gestion des médias. Maintenant, pour revenir au cas de la situation précaire, on constate qu'on s'en sert de, on se sert de ça. Puisque ça participe à justifier un manquement, il faut agir sur ce manquement-là. Et je pense que la convention collective est l'outil le mieux approprié pour brandir aux journalistes pour dire que voilà, vous avez un statut qui vous permet une rémunération conséquente. À partir de là, on va mesurer les degrés de corruption. Si c'est la précarité, vous avez la convention collective. Mais là aussi, la difficulté de la convention collective, aujourd'hui, la résistance, c'est au niveau des, des, des responsables des médias. Parce qu'ils opposent le fait que dans l'espace publicitaires du Niger, il n'y a pas assez pour eux les privés pour pouvoir supporter la marge salariale prévue par la convention, le projet de convention collective. Puisque vous allez voir, des, il y a une certaine grille salariale qui est prévue dans la convention collective et qui fait que les responsables des médias estiment que c'est une sorte de, de, guillotine pour eux parce qu'ils ne peuvent pas supporter cette charge salariale et il a, il a prévu un aspect de la publicité, qu'il y ait un accompagnement de la publicité, une répartition de la publicité au même pied d'égalité que les médias d'État. Je pense que c'est un travail qui est en train d'être fait, mais c'est là, c'est à cela que je peux inviter les, médias à booster pour que, pour que cette convention-là soit une réalité. Puisque aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne sait même pas à quel niveau. Tantôt, Ça bloque. Oui, tantôt, c'est les promoteurs qui bloquent. Tantôt, l'État ne peut pas bousculer tant que vous-même le concernez, vous ne faites rien. Moussa, comment mettre fin à ce genre de pratiques corruptives au Niger de façon générale Au niveau d'abord des médias, nous avons, nous à notre niveau, des solutions ou disons des propositions de solutions que nous avions envisagées. Euh, par exemple, euh, il y a ce qu'on appelle au niveau de l'ORTN la redevance RTN. Parce que vous savez, malheureusement, au niveau des médias, notamment privés, l'un des problèmes qu'ils ont, c'est des problèmes de fonctionnement, même pour faire tourner les organes de médias. Parce que euh, les seules ressources sur lesquelles comptent ces médias, c'est d'abord le fonds d'aide à la presse de l'État. Et vous avez vu récemment, depuis 2015, ce fonds n'a pas été libéré. Il a fallu seulement à partir de l'année passée, c'est-à-dire en 2018, pour que ce fonds puisse être pris en compte. Et on a vu la conséquence que cela a, créé. Pratiquement, ça a accentué la misère au niveau des organisations socio-professionnelles ou même au niveau des médias de façon euh, générale. Il y a eu des médias qui ont accusé jusqu'à 3-4 mois de salaire du fait, n'est-ce pas, de ce retard dans euh, le paiement du fonds d'aide à la presse. Donc nous, nous avions préconisé comme solution, au-delà de ce fonds, peut-être même pourquoi ne pas se passer du fonds et aller vers le partage ou la répartition de cette redevance ORTN, la redevance ORTN, si vous voulez, c'est une prime que chaque abonné Nigelec paie, n'est-ce pas, à la Nigelec et que la Nigelec euh, rétrocède euh, à l'ORTN. Et c'est des milliards pratiquement que l'ORTN empoche chaque année, n'est-ce pas, du fait de ces très cette redevance. Et donc, nous pensons que si au moins on prenait en compte, n'est-ce pas, les organisations, disons les, organes des médias indépendants dans la répartition euh, de cette redevance, ça pourrait contribuer à améliorer de façon considérable les conditions de vie et de travail des agents. Parce que le fonds, s'il est annuel, n'est-ce pas, le fonds d'aide, s'il est annuel, la redevance, elle, elle est mensuelle. Et nous pensons qu'en passant par euh, cette redevance, on peut régler en tout cas une grande partie de ce problème. Il y a également euh, en tout cas des revendications qui sont euh, posées, que ce soit par les organisations socioprofessionnelles ou même par les organes individuellement et collectivement pris, quand vous prenez, parce qu'aujourd'hui, les radios et télévisions privées et se sont dotées de ce qu'on appelle euh, un réseau de promoteurs de radios et télé et qui se sont organisés, qui font également des propositions à l'État pour l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions euh, de vie des travailleurs des, des médias de façon générale. Donc, si on pouvait prendre en compte ces revendications, c'est-à-dire accélérer, n'est-ce pas, la mise en œuvre ou de la loi sur la publicité, n'est-ce pas, assurer la signature de la convention collective, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des journalistes, au niveau de la presse, il y en a beaucoup qui exercent même sans contrat avec leurs organes de presse euh, respectifs. Vous voyez bien que tout ça, c'est autant de situations qui font que, effectivement, la corruption puisse avoir de beaux jours devant elle. Parce que tant que vous n'êtes pas dans des conditions optimales, n'est-ce pas, de travail, tant que vous n'êtes pas euh, dans une situation, euh, en tout cas, vous permettant d'assurer votre sécurité, c'est sûr que vous allez être exposé à la corruption et rien ne peut vous empêcher d'être tenté à de telles pratiques. En tout cas, voilà au niveau des médias, c'est ce que nous pensons. Au niveau de la société civile, c'est l'État. L'État n'a qu'à voir. Oui, oui, que l'État, l'État a la possibilité, il d'ailleurs la responsabilité de jeter un coup d'œil sur le fonctionnement, comment ces organisations de la société civile fonctionnent, qui les finance, sur quelle base. Tout ça, c'est des choses que l'État également doit euh, chercher à réglementer. Parce que ça, c'est là si on laisse chacun faire à sa tête, faire ce qu'il veut, je vous assure que on va euh, beau décrier le phénomène, mais il va toujours euh, persister parce qu'effectivement, euh, il n'y a pas de, garde-fou, il n'y a, a aucun mécanisme de contrôle. Et donc, la corruption va bel et bien se poursuivre et cela n'en déplaise en tout cas aux organisations de lutte euh, contre ce phénomène. Mamoun Wada, en dehors de ces deux euh, secteurs, y a-t-il d'autres secteurs qui méritent un examen à la loupe euh, par votre association Transparency International au Niger, rapidement Non, tous les secteurs de la vie nationale sont je le disais, sont gangrénés, c'est le terme, ce hein, c'est pas abusif, sont gangrénés par la corruption ça mérite qu'on y s'y penche et on le fait au quotidien, n'est-ce pas On fait des études, on fait des rapports, nous avons fait plusieurs études depuis que nous sommes euh, en activité depuis 2001. Donc là, la question de la corruption, d'une manière générale, c'est une préoccupation et nous avons toujours appelé les gens à la rescousse parce qu'il faut que ça soit le problème de tout le monde, la lutte contre la corruption. Pour revenir à l'objet de notre euh, forum, je dirais que par rapport aux médias, je pense que le problème, c'est l'instrumentalisation. Et il y a un problème de vérité. Je ne sais pas est-ce que ceux qui écrivent ont le souci de la vérité quand ils écrivent C'est un problème de fond. Est-ce que quand on écrit, on doit dire la vérité Les faits, est sont avérés hein? L'objectivité doit forcément conduire à la vérité. Et le souci de la vérité doit conduire à l'objectivité. Ça, c'est évident. la question que je me suis toujours posée, en tout cas à mon niveau, quand je lis un journal, je me demande si les gens ont le souci de la vérité, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vraiment eh, les gens ont ce souci quand ils écrivent Et c'est ça le problème. Les journaux de gauche ou de droite, ils ont plutôt le souci de la vérité. Ça, c'est très important. Or, chez nous, l'instrumentalisation, elle est avérée. Il faut vraiment faire quelque chose. Maintenant, si je compare les deux, je dirais que les médias sont mieux, nettement mieux organisés que la société civile. Voyez-vous, au niveau même des institutions de la République, il y a le Conseil supérieur, n'est-ce pas, de la communication, hein, qui est chargé de la régulation. C'est déjà important. Maintenant, au niveau des médias eux-mêmes, il y a l'ONIMED, hein, qui fait un travail de moralisation important. Mais au niveau de la société civile, je dirais que c'est un désordre fou hein, un, au niveau de l'État, il n'y a pas d'harmonisation dans la gestion de la société civile. Le ministère de l'Intérieur, il, il, donne les, les, arrêtés de reconnaissance. Les ministères euh, euh, sectoriels, ils visent. Par exemple, on du ministère de la Santé, de la Santé, va le ministère de la Santé, il vise l'éducation, l'éducation vise, ainsi de suite, n'est-ce pas Et vous avez maintenant et, la tutelle administrative qui est, euh, au niveau du ministère de l'aménagement du territoire. Je ne suis pas sûr que ces trois ministères travaillent ensemble sur la société civile. Il n'y a pas d'harmonisation. Mais mieux, au niveau de la société civile elle-même, chacun va de son côté. Non seulement il y a, il y a un souci d'expertise, au niveau de la société civile. Il n'y a pas de professionnalisation au niveau de la société civile, mais, mais, mais chacun va dans, dans, son sens et ça va dans tous les sens. Ça donne une espèce de cacophonie. C'est vrai que la société civile joue un rôle important dans la vie sociale. Il y a des problèmes qui sont révélés par la société civile, il y a la défense des intérêts des citoyens, mais on a comme l'impression que le tout se fait dans une cacophonie, n'est-ce pas, qui n'a pas d'orientation claire. Et c'est pour ça que la plupart de ceux qui écrivent sur la société civile nigérienne, disent que c'est une nébuleuse. Mamadou Diaharou, euh, euh, comment votre organisation peut-elle véritablement contribuer à lutter contre la corruption dans le milieu rapidement Dans le milieu, je pense que c'est le travail que nous faisons tous les jours, celui de veille. Nous, euh, nous faisons un travail pratiquement de suivi des médias, des contenus, et nous recensons les manquements tantôt à travers des, décisions, des sanctions qui ne sont que pédagogiques, comme il l'a dit, des moralisations, puisque c'est pour dire que un tel journaliste n'a pas fait son travail conformément au texte euh, en vigueur. De l'autre côté, on fait des communiqués, des rapports sur la base, euh, sur la base d'un travail de monitoring pour faire un communiqué et alerter sur les manquements qui reviennent sur une période suivie. Donc c'est pour dire que voilà le, le type de manquement et on fait en, amont aussi des, des, rapports qu'on met à la disposition du, public et des, partenaires des médias. Nous faisons des rapports pour sortir les besoins en formation des journalistes. Maintenant, pour donner, puisque nous, nous faisons un travail de bénévolat, mais nous, nous le mettons à, l'usage public pour dire que voilà les, euh, domaines sur lesquels les journalistes ont des difficultés euh, ou hommes des insuffisances. Et pour ceux qui sont intéressés sur ce genre de thématiques, peuvent s'en servir pour former les journalistes. En dehors de ça, nous n'avons pas d'autre force que ça. Il y a d'un côté la, maison de la presse qui euh, s'en servent pour faire des formations, pour aller vers ses partenaires et faire la formation. Et la même chose, je pense, du conseil, au niveau du Conseil supérieur de la communication. Mais la question de la presse, est, Maman Wada l'a évoquée, il y a un problème en amont, celui de la conviction. Qui, est venu dans ce métier pour le faire, pour faire de ça sa, profession Et qui est venu parce que tout simplement, il n'a pas trouvé mieux ailleurs. Et c'est toute la difficulté que nous avons quand vous regardez. Euh, il n'y a pas véritablement de rigueur, particulièrement au niveau de la presse écrite. Bon, on essaie de rattraper en disant que pour être un directeur de publication, maintenant, il faut être un journaliste professionnel jouissant euh, de ses droits civiques et moraux et avoir la carte de presse professionnelle délivrée par le Conseil supérieur de la communication. Mais quand vous voyez comment on rentre dans les métiers, comment on devient journaliste, c'est tout à fait facile puisque euh, les, les formations continues ne suivent pas et quelles qu'en soient les formations continues, moi j'ai l'habitude de, le dire dans toutes les occasions que le respect de l'éthique et de la déontologie, il est, il est, il est un problème qu'il faut lier à l'éducation euh, de, de, des journalistes. Les autres n'est que superficiel, mais il faut que les journalistes, il faut qu'ils soient convaincus de son métier, il faut qu'ils soient jaloux de ce métier. Et c'est la difficulté que nous avons, c'est à ce niveau-là. Beaucoup sont venus en transit, comme on dit, parce qu'ils veulent trouver mieux et que beaucoup même sont venus parce que c'est un terrain facile aussi pour faire euh, de l'argent, puisqu'il ne faut pas se, le cacher aussi. La société civile comme les médias ont des arguments de pression. Et comme nous sommes dans une société où la corruption aussi a atteint son, sommet, c'est qu'il y a des, des responsables institutionnels, des responsables au sein des entreprises, euh, qu'ils soient publics ou privés, qui sont fragiles et que lorsque des, des, des acteurs de la société civile les menacent sur des chantages ou des journalistes, ils tremblent et ils sortent de l'argent. Et ils favorisent et aussi cette corruption au sein de la société civile et au niveau des médias aussi. Puisque s'ils sont clean, vous ne pouvez pas le faire chanter, c'est que vous n'aurez pas le courage de le faire. Voilà la difficulté que nous avons. La viabilisation des organes de presse passe nécessairement par l'adoption de la loi sur la convention collective interprofessionnelle dans le secteur des médias. L'État est aussi appelé à veiller au respect des engagements et le cahier de charge de tous les ONG et associations de la société civile. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Maman Wada, président de Transparency International au Niger, Maman Gaharu, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED et au téléphone Moudi Moussa, secrétaire général du syndicat national des agents de l'information et de la communication Sinatica. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.